tu ne connais pas ben ici, demande-le-moi. Il est beau, il est gentil, il donne de l'argent. est est Si tu ne connais pas ben ici, demande-le-moi. Il est beau, il est gentil, il donne de l'argent. Ah, ah, est <laughs> lay ndeysaan ku nekk ak li ko yitteel di waaw ah,